Senegal, Jamaica. Festival Fadidi, bienvenue dans les îles du Saloum. Le groupe Saltigui et ses partenaires vous convient à la troisième édition du Festival Fadidi les 3, 4, 5 et 6 août 2023. Programme B, investissement humain mbapat dîner de gala visite site historique et touristique veille veillée culturelle concert balade en pirogue suivi de pique-nique Kana Festival Fadidi neex venez découvrir les merveilles des îles du Saloum avec le Festival Fadidi les 3, 4

waaw faamu da bu baasul faamu da takk na ko mu ngi koy piit woos bañ na woos remplacé na ko jaxabal mu bañ faamu da woos woos jàmbaar dem woo final fole ca Gandiaye eh woos na faamu da woos la la